souhaiter la bienvenue sur cette terre du Nyani, dans la commune de Koutiaba Wolof. Vous dire toute notre joie et notre plaisir de vous avoir ici, aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Cette journée nationale de l'arbre constitue pour nous une occasion de mobiliser les communautés, de mobiliser les populations pour exprimer leur joie, mais aussi leur satisfaction, mais aussi dire merci au chef de l'État qui nous a permis aujourd'hui d'accueillir la journée régionale de l'arbre ici à Kouchaba. Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique qui entraîne une dégradation des sols, une baisse des rendements, le dérèglement de la pluviométrie. Tous ces facteurs font et nous obligent en tant que responsables de mobiliser les populations, de mobiliser les communautés autour de leur vulnérabilité pour leur permettre de prendre conscience des enjeux, de prendre conscience des défis, de prendre conscience des menaces. J'allais dire pour les convertir en défis à relever. Et pour relever ces défis, il faut un engagement. Il ne s'agit pas simplement de planter un arbre et de le laisser, mais il s'agit de planter l'arbre, de l'accompagner, de le protéger mais aussi de permettre aux jeunes générations qui vont venir de bénéficier des fruits de ces arbres. De remercier les populations de Koutiaba parce que mobilisation bu mel nii ci ay fan ñetti fan lañ ko def kenn umpalewul ñu ngi ci élection Il may ñu ndam ñu jël ko jox ko président de la république mais président de la république vous soxlawaatee mobiliser population sur des actions de développement dañuy wane peuple ñani nous dess sommes des parce que le développement mo ñu parce que le projet d'émergence qui est cher à son excellence monsieur le président de la république pour nous matérialiser ko il faut un engagement collectif engagement collectif mooy ñepp taxaw parce que que wolone ne jafé jafé yi mu ngi fi mais jafé jafé yi liko indi moy àll bi yàqu na bi parce que garab yi kan nous ko ñun doomu adam yi ñoko Tay nak ku ciaba buñ fi dajalo kilifa yi nek sama ginaaw ñew fi tew fii moy non seulement dañ wara fetu mais dañ wara jël fii tay ay engagement yu wor signer ben charte de fraternité bo xamanteni ni acteur bu nek ci bir all bi moy ñew signer ko ñu ne ku daga garab na nga jëmbat garab ku gis garab bu yaxu nang ko taxawal parce que bi bu naté ñun ñoy am jamm fi mu koy daanelee rek moy jeunesse bi moy jigen ñi ma ngi leen di wax ne leen tey plantation symbolique la ñuy def mais semaine bi yëpp neen bokk taxaw jëmbat ay garab aar garab yi bu ko defee fii ak un an ñu ñëw taxawaat fii ne garab yi ñu jëmbatoon anamu ñu mën ko joxoñ